gaisuwa da fatan alheri barka da zuwa bisa kan shirin na matasa da studio Kalangu ke shirya muku a kowane ƙarshen mako. A la présentation, la reine de la parlotte, Rabia Mekano. Aujourd'hui, la fada est aux côtés des plus jeunes les enfants ils sont à l'honneur. Le 16 juin, c'était la journée de l'enfant africain. Bikinda accueilli ake yi shekara tun ranar 16 ga watan Yuni na shekara organisé par l'Organisation de l'Unité africaine en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976. Busa wannan maudu'in na bana mu ma yara D'ailleurs, dans son message du 15 juin, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a indiqué que le choix de ce thème se justifie par l'utilisation potentielle de l'Internet partout dans le monde nan nan bon euh, ko marayu na bon Samaritain dans cet on se demande si les enfants ils ont accès à internet et la vision qu'ils ont de leur avenir dans ce monde ultra connecté mais ben, nous ne sommes pas qu'avec eux nous sommes aussi avec les élèves du CSP Mayaki qui sont avec nous aujourd'hui on fait la fête on fait la fada on danse ensemble et on parle de internet suka san wannan nous aurons la musique, la rubrique rose et la chronique de l'émission Tout ça la Fada. Top, c'est parti! Le droit de l'enfant dans un environnement numérique. Yara kankana, suna amfani da internet. Fada kenan. Et nous sommes en compagnie de nos jeunes amis de la FADA, de l'orphelinat Bon Samaritain et du CSP Mayaki. Nous avons avec nous Issoufou Shipkaou. Il est en classe de 3e. Ça va Ça va. Bienvenue sur l'émission Tous à la Fada. Nous sommes avec Ade Sewavi. Il est en études professionnelles. Ade, ça va Ça va très bien. Tu vas bien Bien, oui. Super. Nous avons avec nous Aïssa Iliassou. Elle est en classe de terminale. Ça va Oui, ça va. Candidate, c'est comment Ça va bien. Super. Hawa Issa, elle est en classe de troisième. Hawa, ça va Ça va. Tu vas bien Oui, ça va. Il y a des à quoi Hausa Ma Hausa <laughs> Yo, à quoi Aiki <laughs> da Ismailu euh, mon il est dans l'administration, il est encadreur, aux côtés des élèves, il les suit. Soyez le bienvenu sur l'émission Tous à la Fada. Merci, bonjour. Voilà, nous avons nos jeunes amis tout autour de nous sur cette Fada. Si on pose une question, vous avez la réponse, vous levez votre doigt, vous donnez votre nom et vous répondez. C'est OK C'est bon oui. Super Bon, voilà, maintenant, on y va direct sur les questions. Internet occupe de plus en plus de place dans la culture aujourd'hui. Yo, Chicken na Internet. On aimerait bien savoir comment vous vous sentez dans ce monde ultra connecté. Il y a Internet partout. Aïssa, Iliassou, je commence avec toi. Aïssa, dis-moi. Internet, pour moi, c'est. C'est bien aussi, mais moi, pour moi, je n'aime pas trop Internet. OK. Parce que ça prend beaucoup du temps. Je par exemple, je peux être sur Internet plusieurs fois. Je ne vais pas quitter, quoi. Je ne vais pas bouger. Mais si je ne suis pas Internet, je peux me prendre un livre pour lire. OK. Donc, toi, au fait, Internet, ça te distrait. Oui. Tu trouves que c'est beaucoup de distractions, Internet Oui, oui. Donc, Internet, qui Internet, en tout cas internet pour moi c'est bon mhm. parce que ça me permet des fois de faire des recherches ok donc ça te facilite euh, les recherches dans le cadre de tes études d'accord internet c'est bien pour toi ben, les garçons les filles elles parlent pas beaucoup hein il y a sous <laughs> Ah, internet moi l'internet pour moi quand même je peux dire c'est bon parce que ça m'aide beaucoup dans mes études à l'école, si je reviens, si j'ai pas compris, je peux faire des recherches et sur Internet, euh, tout ce que je tape comme recherche, je trouve. Et ça me permet aussi de me connecter avec les amis qui sont loin. Parce que j'ai des amis qu'on n'est pas dans le même pays ou bien ils sont ailleurs comme ça. Tout ça, là, je trouve de l'importance à l'Internet. Hmm. Donc, gaskiya wannan harka internet kin da ake ko ina yana samu yana hira tare da abokan shi wanda ba nan ga kuma yana samu yana cikin shi shi da abin ya mishi daidai to da karatu kuna amfani na'ura ordinateur smartphone pour étudier, jouer ou communiquer. Vous avez accès à Internet dans votre... Euh, effectivement. Euh, parce que j'ai un téléphone avec lequel je me connecte hmm. et, chercher des informations sur euh, ma formation. dont j'ai fait Adouchi, le froid et climatisation. Bon, avec ça, j'essaie de développer mes connaissances afin de pouvoir travailler et approfondir mes connaissances. Ok. Internet, c'est vraiment cool. Hein, ouais, c'est cool. Super. On vient à l'encadreur. À quel niveau les, enfants ici, ils ont accès à Internet Ils ont des ordinateurs Ils ont... Qu'est-ce, quest que vous avez de numérique ici euh, Déjà, l'administration elle-même possède euh, les outils informatiques pour les différents travaux qu'on a à faire, administratifs, d'informations sur les réseaux sociaux, etc. Et d'autres enfants aussi ont des téléphones qui sont un peu plus grands. Euh, terminal, troisième, ils ont des téléphones. Et ils peuvent avoir la, la connexion Internet aussi des, des fois pour, euh, pour les recherches, quand ils ont des devoirs ou quand ils ont des exercices. Euh, amener. Il y a certains aussi qui ont des ordinateurs qui, des fois, peuvent se connecter à Internet. Mais c'est vrai que les enfants n'ont pas tout le temps euh, accès à Internet. Genre, il n'y a pas un programme spécialement dédié à, exactement. à pas informatique, tout ça. Ah, exactement, nous n'avons pas, mais euh, nous avons l'espoir. Ce n'est pas effectif pour l'instant, mais nous espérons avoir une salle informatique pour initier les enfants euh, à l'outil informatique, pour initier les enfants à l'utilisation d'Internet. Mais actuellement, ce programme-là n'est pas euh, en vigueur. Ok. Et bon, on va. J'aurais aimé avoir un autre encadreur, mais bon, on va aller toujours avec vous. À votre avis, euh, comment, comment jusqu'à quel niveau ça va aider les enfants d'avoir cet outil ici, les ordinateurs et tout, selon vous Ça va aider les enfants d'abord pour leur propre, développement en fait. Parce qu'on sait que l'Internet aujourd'hui c'est ouvert sur le monde. Euh, on a les, connaissances de, de, tous les coins du monde parce que la connaissance elle est diverse. On peut s'informer de, partout et ça permet aussi de développer la culture, la culture générale euh, de l'enfant. Donc si nous avons accès à Internet pour les enfants, nous pouvons les présenter euh, des outils ou même si nous avons une salle informatique, nous pouvons déjà initier les enfants euh, au maniement du, du, informatique pour que quand ils seront grands, quand ils seront à l'université ou même quand ils vont faire face euh, au monde professionnel, il n'est pas du mal à très vite saisir ce qu'on va leur présenter. Déjà, maîtriser ce, ce que le monde propose aujourd'hui pour anticiper ce que le monde pourra proposer peut-être 15 ans plus tard quand ils seront appelés à prendre service quelque part, par exemple. D'accord. Est-ce que ici, Ici, parmi vous, les enfants qui sont juste derrière, il y a quelqu'un qui aimerait vraiment avoir un ordinateur et qui est très passionné de l'informatique, mais qui n'a pas d'ordinateur. Il y a quelqu'un qui aimerait bien avoir. Passe-lui le micro. Donne-moi ton nom. Ça va Comment tu t'appelles Rachida. Rachida, tu es vraiment passionnée de l'informatique, tout ce qui est Internet, numérique, tout ça Oui. Et tu aimerais bien avoir un ordinateur oui. Qu'est-ce que tu vas. En fait, dans quoi tu vas travailler avec Qu'est-ce que tu vas créer Tu veux créer des applications Tu veux faire quoi Je veux styliste, je veux créer des, des choses sur Internet. Ok. Tu veux créer. C'est des habits, tu veux créer Oui. Ah, d'accord, tu es intéressé par la couture. Et tu voudrais bien faire ça avec un ordinateur et tout Oui. Ben, super to kun ko wanga ita tace tana so da tana da computer da ta so ta samu computer dan ta dinga yin design kinta na dumki dumki da ke burge ta kuma dumki ma tana so ta dinga yin shi a bisa kan na'ura mais ça c'est bien ça alors on va aller on va se faire une pause avec la rubrique rose de l'émission Tous à et on se reprend juste après Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis jeunes de la rubrique Rosa, bonsoir et bienvenue sur votre rendez-vous de la semaine. Ce soir, les filles dans l'espace santé et bien-être, on va parler du mal des dos qui est généralement désagréable, mais il guérit souvent tout seul au bout de quelques semaines de traitement à la maison. Cependant, si vous avez été touché une fois, il y a de fortes chances que vous les soyez encore à l'avenir. Votre dos peut vous faire mal parce que vous avez soulevé un objet lourd ou à cause des mouvements brusques non coordonnés, ce qui a pu causer une déchirure musculaire ou une rupture des disques. Comment prévenir les douleurs au dos C'est de ça on va parler et ça sera avec moi Mariama. 1. Apprenez à soulever correctement les objets. Ne vous appuyez pas sur votre dos pour soulever quelque chose. Tenez-vous plutôt près de l'objet que vous voulez porter. Tournez-vous dans la direction où vous comptez y aller. Resserrez vos muscles abdominaux. Adoptez une posture large et pliez vos genoux. Évitez de les soulever brusquement et ne vous penchez pas sur le côté quand vous le portez. Si vous soulevez un objet lourd, gardez vos bras tendus et rentrez votre menton. 2. Améliorez votre posture. Vous devez vous lever et vous asseoir en position détendue. Imaginez qu'une ficelle tire votre tête vers le haut et étirez votre cou pour supporter le poids de votre crâne. Tirez vos épaules vers l'arrière et détendez-les, puis resserrez vos muscles abdominaux pour supporter votre colonne vertébrale. Si vous devez rester debout un certain temps, posez un pied sur un tabouret pour soulager la pression sur le bas de votre dos. Pour obtenir le même effet, vous pouvez également faire pivoter sur place une cheville à la fois. Si vous devez rester assis un certain temps, gardez vos jambes et vos bras parallèles au sol. Appuyez-vous contre votre dossier et gardez vos pieds à plat sur le sol. Pour éviter la tension dans vos muscles, changez régulièrement de position. 3. Ménagez votre stress. Chez les personnes qui souffrent de douleurs au dos, l'attitude vis-à-vis du problème peut être déterminante. Votre mal de dos peut mettre plus de temps à guérir en cas de stress, de crainte, d'anxiété ou de dépression. L'anxiété peut notamment aggraver la douleur. C'est tout pour l'espace santé et bien-être de ce soir. Passons à présent à l'espace cuisine. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, chers amateurs de la fada. Aujourd'hui, l'espace cuisine, ça sera avec moi, Samira Rafi. Tout le monde connaît euh, l'utilisation des piments. On va parler du piment en cuisine. En effet, rien de tel pour apporter plus de saveur à une recette. Mais savez-vous que le piment est aussi précieux à lier santé En effet, les études prouvent que manger du piment une fois par mois prolonge l'espérance de vie. En plus, le piment fort contient trois fois plus de vitamine C que les oranges. Voici quelques bienfaits du piment sur la santé que tout le monde devrait connaître. 1. Il soulage la migraine. Se pulvériser un spray à base de piment dans les narines. Évidemment, ça picote et pourtant ce type de spray soulage les migraines. Ces sprays sont à base de capsaïcine, la composée organique dans les piments responsable de leur saveur piquante. Or, la capsaïcine a un effet anesthésiant sur le nerf trijumeaux du cerveau. C'est dans cette partie du cerveau que commencent certains types de migraines et les maux de tête graves. Dans une étude, 7 personnes sur 10 ont senti un soulagement total de leurs migraines et maux de tête après avoir utilisé un spray nasal à base de capséine. Toutefois, toutes les personnes interrogées sont formelles. Malgré les picotements, le traitement en vaut vraiment la peine. 2. Le piment augmente l'espérance de vie. Manger du piment régulièrement pourrait fort bien vous aider à vivre plus longtemps. Combien de piments faut-il manger pour augmenter votre espérance de vie Selon une étude de grande envergure, il suffit de manger un piment rouge par mois, frais ou séché. Les chercheurs ont découvert que ceux qui mangent du piment mensuellement sur une période de 20 ans réduisent de 13% le risque de mortalité. Certains pensent que c'est grâce à la haute teneur en nutriments et en propriétés anti-inflammatoires. Dans une autre étude, les chercheurs ont aussi découvert que manger du piment aide à combattre l'obésité. Et c'est tout pour cet espace cuisine et pour la rubrique rose de ce samedi. On se dit donc, Mariam, à demain. Oh, c'est chaud là. Oh, c'est chaud Oh, oh c'est chaud Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Ah, ah, j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai à la FADA aujourd'hui installés dans, dans leur cadre de vie. Ici, ils sont environ 80 ans à grandir, à étudier et à s'épanouir dans cet espace. On vous dit encore merci, merci pour la mobilisation à l'occasion de la journée de l'enfant africain. À cette FADA, nous sommes avec Issoufou Chipkao, il est en classe de 3e. Nous sommes avec Adessé Wavi, il, est, il fait des études professionnelles. Aïssa Iliassou, elle est en classe de terminale. Hawa Issa, en classe de troisième. Nous avons des candidates avec nous. Hein? Ismaëlou Munkaila, il est de l'administration. On va poursuivre notre discussion. maintenant, on voudrait bien savoir, wa'annan wanda euh, wanda suke da shi wanda suke da kamar smartphone wanda suke da euh, computer su da suke amfani da shi wani irin amfani ne suke da internet menene kuke yi da shi iliyasu me kake yi moi, j'ai un PC. Mhm. Moi, j'ai un PC. L'année passée, j'ai été formé en informatique au Sénégal. Du tout, euh, j'arrive à faire des affiches euh, et d'autres. Et je suis un passionné de la programmation. Donc, euh, sur Internet, je télécharge aussi des applications pour faire... même avant-hier, à l'école, il y avait un ami qui avait son téléphone était bleu dehors. Il a oublié le mot de passe. Il m'a mis ça, j'ai débloqué pour ça pour lui. J'aime l'informatique euh, et ça m'aide beaucoup euh, dans tout ce que je fais. Ah, mais c'est bien ça, on lui applaudit. Nous avons un petit génie de l'informatique avec nous. Ça, c'est cool, ça, Yasu. Toi, toi, déjà, tu me l'as dit. Je vais revenir vers ça. Eh, non, mais sérieusement, ma chérie, tu n'aimes vraiment, vraiment, vraiment pas Internet du tout. Tu l'utilises pas. Ah, ah, Aïssa, dis-moi, quand tu l'utilises, les rares fois où tu l'utilises comme tu n'aimes pas là, tu fais quoi dessus J'aime, j'aime surtout le site YouTube parce, que, parce que je pars là-bas pour regarder les vidéos. J'aime la vie des animaux, donc ah, je regarde ça sur YouTube. Ok. Ah donc au moins tu aimes un peu pour regarder les animaux. Eh oui. C'est bien ça. Hawa, en dehors des recherches euh, pour les études, tu fais quelque chose de spécifique avec Internet, communication ou tu fais quelque chose je cause avec les amis. Ok. Et je, je télécharge des chansons et regarder des vidéos sur TikTok. Sur TikTok Ah, elle est vraiment 2.0 euh, là. <laughs> voilà, donc là on va discuter un peu avec votre encadreur. ba su koko ya musu ça sera euh, très difficile, même pour, par exemple, ceux qui sont en terminale, tous ceux qui sont en l'âge d'avoir un téléphone portable, par exemple, qui connaissent l'utilité, c'est difficile de, pouvoir assurer à chacun euh, un téléphone. Mais par exemple, certains ont des téléphones euh, qui, leur ont été j'ai mis ici par, par l'administration parce qu'ils ont été brillants à l'école. Voilà, ils ont été brillants à l'école sans l'Internet, sans l'outil informatique on, on, fait ce petit cadeau là pour les encourager à ah, travailler Donc on peut gagner un téléphone si on travaille bien à l'école. <laughs> Mais ça c'est bien ça. Donc pour travailler, si la personne a pu faire un très bon travail sans l'outil informatique, sans les recherches, on pense que quand on va mettre à sa disposition l'Internet, au lieu de l'aboutir, si je peux dire ainsi, il peut s'en servir euh, pour se développer encore plus, pour comprendre certaines choses qui euh, qu'il n'a pas compris auparavant et être meilleur encore, pas seulement à l'école, mais dans la vie tout simplement. Ok. kenan anan ga inda suke gidan marayun wannan in kana son ka samu salula ko kana son ka samu wata na'ura da zaka aiki da ita dai in kai karatu a a cikin class kai karatu a lakol karatun ka yayi kyau kana iya samun kado to a wannan fadar muna tare da yan yara kankana na CSP CSP mai yaki sava va viens Je m'appelle Mohamed Issoufou. Mohamed Issoufou, dis-moi, euh, tu as accès à Internet Est-ce que tu, as, tu as une fois travaillé avec un ordinateur ou tu as un petit téléphone Qu'est-ce que tu as comme appareil J'ai un appareil comme un Phoenix. Un Phoenix Ah, tu as un téléphone phoenix Oui. Et qu'est-ce que tu fais avec J'étudie avec si mon maître est loin de moi, je vais je vais étudier avec lui. C'est tout ce que tu fais avec ton téléphone. Tu joues pas. Tu n'as pas de jeu dedans Oui. Tu n'as pas de jeu Donc je peux vérifier. Ton téléphone là, il n'y a pas de jeu Oui. D'accord. <laughs> ok, on va voir ça après. Mais voilà, kun ji dai wa'annan matasan da muke tare da su dai amfani da suke da na'ura suna har cikin harkokin karatunsu wasu masu hira kai wasu har da ma application ma suke kreye wasu sun yi nisa ma cikin harkar internet kin hada farmasin suka samu kenan dai gaskiya ana iya ca dai na'ura da duk abin da yake kama da yanar gizo wannan yaran sun san yana za su sun unhani da shi kuma unhani na kirki justement on va revenir sur cette question de unhani na kirki comment vous pouvez l'utiliser à bon escient comment ils peuvent vraiment l'utiliser euh, utilement voilà dans, dans, dans, le bon dans le bon sens mais avant cela on va aller en musique eh bien chers amis de la fada on danse aussi dans la fada. Nous allons avec le titre Bouga de Kiss Daniel et on se reprend juste après. On va taper, on va danser ici. c'est la fête, hein? La journée de l'enfant africain, ça se fête, hein? Allez, ah, bah, ça. Ok, on tape, on tape, on tape. On peut poser les micros. Posez les micros. Vidéo, après les vidéos. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Allez-y, allez-y. question de cette émission. Est-ce que vous vous amusez bien quand même sur l'émission Tous à la Fada Faites-moi du bruit, dites-moi quelque chose. Vous vous amusez au moins Ça va eh, le oui, là même. On est là, on vient de vous réveiller. Eh, Dieu, Yako pour moi, oh Yako. Donc, ah, voilà la dernière question. A ganin a qui en ake iya amfani kirki da wannan yanar vraiment cet outil pour leur épanouissement. Je vais venir vers l'encadreur vous allez parler. Après, eux aussi vont donner euh, des conseils à leurs jeunes frères et sœurs qui les écoutent à travers cette émission, comment on peut utiliser Internet vraiment dans le bon sens. Euh, Ismaëlou, D'accord, eh ben, donc. Tout ici, je pense que Aïssa avait soulevé un point. Elle a dit que elle, quand elle, elle n'aime pas se connecter à Internet parce que quand elle se connecte, euh, ça prend tout son temps. Donc, euh, l'un des, des points, c'est ça, c'est le temps, c'est la gestion du temps lorsqu'on utilise Internet. Des fois, c'est tellement attractif que quand on commence, quand on s'y plonge, on a du mal à, sortir la tête dedans, en fait. Mhm. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir gérer son temps, savoir quand est-ce que je dois me connecter à Internet et combien de temps je dois faire sur Internet. Moi, qu'est-ce que... je vais faire Pourquoi je suis là-bas Pourquoi qu'est-ce que je, cherche, pourquoi je, suis sur le site sur lequel je suis, en fait, et gérer son temps comme il faut. Voilà. Aïssa, à toi. Comme tu as peur là, toi tu prends tes précautions avec Internet là. Faut donner dernier conseil là. pour pouvoir bien utiliser Internet, il faut qu'on se fixe un temps. Par exemple, si je peux faire une heure de temps ou deux heures sur Internet, après je consacre mon temps par exemple, dans les livres aussi, je peux lire aussi les livres. Mais par exemple, si on me donne un exposé, je ne peux pas aller sur Internet taper l'exposé. Ce n'est pas mon travail, c'est le travail de quelqu'un. Alors que si j'utilise pour chercher les mots-clés qu'on m'a donné pour les définitions sur Internet, je peux avoir pour faire moi-même mon raisonnement, pour bien faire mon exposé. Je crois que c'est comme ça il faut utiliser Internet. Donc de ne pas euh, plagier, de, de faire vraiment des recherches euh, sans pour autant prendre le travail de quelqu'un et l'utiliser kenan ki a ganin ki dai in mutum ya shaye bisa kan yanar gizo yana ko wani bincike bisa kan harkokin karatun shi to san zo ka Iliyasu haba ah kai ma mala internet voilà toi tu es vraiment calé calé calé calé dans le truc ici tu es le plus calé dans ton nom je crois a ganin ya ake iya amfani na kirki da gizo da da ake iya samu abubuwan vraiment ce qu'on peut faire de très très très bien à ton avis ah, moi ce que je vois qu'on peut faire avec l'internet Premièrement, il faut savoir ce que tu veux sur l'Internet. Et quand tu sais ce que tu veux sur Internet, tu restes focalisé sur ça et tu passes ton temps à vouloir faire la chose. Et quand tu finis, c'est là que tu vas. Mais quand tu passes sur Internet pour te divertir, euh, il y a des gens que... Oui, c'est ça. Ah, quand tu passes sur Internet pour te divertir, n'est-ce pas tu peux regarder, passer toute la journée en train de regarder TikTok, euh, moi, ça, je vois que tu, n'as pas aucune connaissance. Donc, moi, tout ça. Tu gagnes rien. Tu perds ton temps seulement. Mais sur, par exemple, sur YouTube, je suis des vidéos euh, des comment faire des trucs euh, comme ci, comme ça, apprendre, euh, faire grandir mon savoir, en fait. Tout ça. C'est ce que je vois. Mais pour qu'on protège aussi les enfants, je vois que c'est aux parents les parents peuvent protéger. Parce que maintenant, il y a des, même des applications que tu peux mettre. Euh, euh, par exemple, tu prends le téléphone de ton enfant, tu, tu mets des codes à l'heure qu'il peut utiliser ça. Donc, si un parent peut faire ça, et là, il arrive à protéger son enfant. Ouais. Donc, pourtant, on peut vraiment bien, bien utiliser Internet pour apprendre beaucoup de choses, faire beaucoup de choses. On va se dire... Euh, tout doucement, on revoir cette émission. Mais avant cela, on va écouter la chronique de l'émission Tous à la Fada et on se reprend juste après. Amis jeunes de la FADA, bonjour à vous. Et eh bien, dans notre chronique d'aujourd'hui, nous allons parler de la patience. La patience est une qualité souvent sous-estimée dans nos sociétés modernes, axées sur la rapidité et l'instantanéité. Pourtant, elle joue un rôle crucial dans notre vie quotidienne et est souvent la clé du succès. La patience consiste à être capable de persévérer malgré les obstacles, bien sûr, mes chers amis, à attendre avec calme et sérénité et faire preuve de tolérance dans des situations difficiles. Dans cette chronique, nous explorerons l'importance de la patience et comment elle peut nous aider à atteindre nos objectifs. Premièrement, le pouvoir de la patience. Eh oui, la patience et la persévérance vont de pair. La persévérance est la capacité de continuer à avancer malgré les difficultés et les revers. La patience nous permet de rester concentrés sur nos objectifs, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats il nous donne la force de persister dans nos efforts, d'apprendre de nos erreurs et de trouver des solutions créatives aux problèmes qui se présentent à nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes chers amis. Nous allons continuer demain, même heure. chronique de l'émission Tous à la fin nous étions en compagnie de nos jeunes amis de l'orphelinat Bon Samaritain. Nous étions avec CSP Mayaki qui a bien tenu à nous accompagner sur cette émission. Vraiment, on s'est éclaté et c'est pour célébrer le 16 juin, journée internationale de l'enfant africain. Merci encore pour ce bon moment passé avec vous. Et vous l'avez bien entendu, Kujirewa en Namatasan, Wanda zancen amfanin da suke iya yi da na'urori suna so su samu a nan ga inda suke karatunsu su samu su kwamfuta a ce sun samu wanda suke kuma eh, son su samu hallo saluloli su ma suna kuma sun ce in dai eh, salula ce ko kwamfuta ce ko internet akwai hanyoyi da dama wanda ake iya amfani da su don a ci gaba don ka ci gaba cikin karatunka ba don a koma baya ba donc on va se dire a une autre fois sur une autre émission on était vraiment content d'être avec vous à très bientôt bye bye bye bye, bye. bye. voilà merci